l'Assemblée générale est certainement le meilleur endroit pour communiquer directement avec la communauté internationale. C'est pourquoi je saisis la présente occasion pour annoncer solennellement que c'est la dernière fois que je m'y exprime en qualité de président de la République du Niger. La prochaine élection présidentielle qui se tiendra en décembre prochain dans mon pays sera l'occasion pour les Nigériennes et les Nigériens de choisir leur nouveau dirigeant. Quand on sait que c'est pour la toute première fois de son histoire que le Niger connaîtra un transfert de pouvoir de façon démocratique, cette échéance me remplit de fierté. Cette échéance sera un moment décisif pour le Niger. Dans le cadre de ses efforts visant à l'approfondissement de son processus démocratique et de sa maturité politique.